Nous sommes euh, lundi 18 novembre 2024. chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Niger sur Kalangou. Bon début de semaine à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Pour que vous soyez, nous, vous nous écoutez via nos, 52 radios partenaires et en streaming sur le site web www.studiokalangou.org. Au micro, c'est Ali Moukela alias Seno et à mes côtés, Fanta Chamsou. À la technique, nous avons Amina Hassan et à l'édition Adama Dawaki. Fanta, bonjour, comment tu vas Je vais bien, c'est nous. Et toi Alhamdulillah. T'as passé un bon week-end, j'espère Super bien. Alors, quel est le programme de ce matin Eh bien, Fanta, comme d'habitude, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec, euh, avec un programme bien diversifié. D'abord, euh, nous débuterons en information avec le flash et pendant toute la durée de l'émission, nous allons savourer de la bonne musique nigérienne. Évidemment, nous aurons la rubrique justice de cette édition. La culture linguistique pour euh, le reportage en région, nous irons à Baleara, dans la région de Tilaberi, pour, euh, pour la découverte, bien évidemment, d'un champ dénommé Champ École. Et dans la partie entretien de ce matin, nous donnons la parole à El Haji Malam Abdou. Il est producteur riz à Tanout, dans la région de Zinder. Et comme d'habitude, nous allons clôturer l'édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Voilà, chers auditeurs, sans trop tarder, nous accueillons Nefissa Adamou Sirfo pour le flash d'information. Bonjour Nefissa. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Nefissa. Alors, plus de 300 Nigériens expulsés des villes libyennes comme Oubari, Seba, Brakchat, Tazawi, Koufra ont été conduits et sont actuellement gardés dans des bâtiments servant d'entrepôt de la ville de Al-Gatroun au sud-ouest de la Libye, située dans le district de Mourzouk, frontalière avec le Niger, selon Air Info. Ses compatriotes vivent dans des conditions extrêmement difficiles et cela depuis deux mois pour certains. Ils demandent aux autorités du Niger de les aider à rentrer au pays. Pour rappel, le 7 octobre dernier, l'association Alternative Espace Citoyen alertait l'opinion publique que des familles nigériennes sont sans nouvelles de leur famille depuis leur interpellation le 6 septembre 2024 par des milices armées dans la localité libyenne de Chouaref. Le nouveau sultan de Dosso, Amadou Seydou Souna a été conduit à la cour où il a été installé le vendredi 15 novembre dernier. Le maïfada du sultanat de Dosso, l'honorable Bourema Bana, a au nom du nouveau sultan remercié les autorités et la population de Dosso. Il a demandé aux candidats qui n'ont pas eu la chance d'être désignés de bien vouloir accepter de collaborer dans l'Union pour promouvoir les traditions, les cultures et maintenir aussi la cohésion au sein de la population. Enfin, au cours d'un point de presse le vendredi 15 novembre dernier, la directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique, Mme Seydou Boudouka, a informé l'opinion nationale des résultats des contrôles sur les paiements des pensions des fonctionnaires d'État à la retraite opérés au titre des mois de juillet et août 2024. Il a été relevé que 3113 pensionnés sont en situation irrégulière, soit un manque à gagner de plus de 540 millions pour l'État par C'est la fin de ce flash d'information. Bonne suite à vous. Merci, Nafisa. Chers auditeurs, comme annoncé, nous suivrons dans un instant un entretien avec Elhaj Malam Abdou, producteur des riz Atanout dans la région de Zender. Oui, Fanta, mais avant, écoutons d'abord euh, le morceau Groupement Nané de l'orchestre Gumbay Star euh, de Maliaro, une façon de permettre à nos fidèles auditeurs de bien s'installer dans cette émission. C'est parti. fuunee wayi Mes chers auditeurs, euh, le morceau Groupement Nané de l'orchestre Goumbé Star de Maliaro rend un vibrant hommage aux femmes leaders de Niamey. À travers des mélodies époustouflantes et des paroles inspirantes, ce titre célèbre le courage et la détermination des femmes qui dirigent avec brio divers groupements féminins. Et ces femmes, unies par une volonté commune de partage et d'innovation, jouent un rôle essentiel dans le développement sociopolitique du Niger. Leur engagement et leur capacité à s'imposer sur la scène locale témoignent d'une force collective inébranlable qui inspire toute la communauté. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, euh, il est temps pour nous euh, d'entamer la première partie de notre entretien avec euh, Al-Hajj Abdou, producteur de riz à Tanout dans la région des Andes. Et après la saison de pluies, El-Hajj Abdou, producteur de riz, comme tu viens de le dire, nous, explique comment se passe cette culture qu'il expérimente pour la première fois. Il est au micro de Asman Aboubakar. kuma amma na fi ba ma noma ƙarfi to yau ga mu ƙasar da margu inda muka zo muka iske wani abun mamaki shine wannan noma na shinkafa hmm. kuna iya muna bayani bisa wannan aiki na noman shinkawa da kuke yi eh wannan aiki na noman shinkawa mu dai da aikin hatsi muke yi da dawa muka koma muna sa wake to duka wannan abubuwan da muke sa mun ga sun karbu uwaye da kakannu su suke yi to kuma bana mun samu ruwa sai muka samu cikin gonakanmu ruwa ya kai wani wurin hatsin ruwa ya mai yawa da muka ga hakanan sai muka ce to wannan wurin namu bari mu gwada wani abu da wanda ba mu taɓa yi ba a nan mu gwada cinkawa sai muka nemi iri muka zo muka yi shibka muka zuba irin ya hutu kuma muka zo muka yi falulluwa muka zo muka daddasa da mu da yaranmu yanzu dai duk hallan cikin dashe muke hallan zuma muna cikin dasa wata mun gana abin kamar zai karbu muna son mu bashi karhi a game da noman shinkafa nan wace irin wani iri ne na shinkafa ko kuka sana eh iri dai ni biyu ne na je gidan gona sun bani da suka bani iri na zo na zuba shi sai ruwa ya zo ya watsa shi tun bai fito ba kuma na koma na tura gashuwa aka so mini to wannan wanda aka so min kama aka ce mai kwana saba'in ne aka so min tunda yanzu wannan shinkafa dukanta cikin ut yana da kwana goma sha takwas na dasa ta ut yana da kwana sha takwas na dasa ta wannan manya-manya wannan kuma ta baya ce da na zuba ita ce dai irin wannan dai ko da yake mu bakinta ne ba mu san sunan shi ba shi dai sun ce bai wuce kwana saba'in to ku yanzu kun taɓa wannan aikin ko ko dai kawai dai jaraba ne ku a ban mu taɓa yi ba ni inda ake yi ma ban taɓa zuwa ba jarabawa ne miki inda ake yi ma ban taɓa zuwa ba to akwai wasu masu kama muku haka suna ba ku koko dai kawai dai ana ta taya dai eh ana kwatamta amma na nemi shawarar mushan gona lokacin da zan zuba iri zan zuba taki yace ce mini in ta kai kamar lokaci kaza na sayi iri wannan taki buhu biyu yace ka zuba iri kaza tun tana karama kuma da tattaso kuma ya ce mini in zuba taki na zuba ni wannan ne shawarar da na nema dai wajen wani to ya kuke ganin kama bunƙasar ta eh bunƙasar ta da yake mu bakinta ne kama gani muke tana bunƙasa sai dai wani wuri inda muka ga mun sa da yake aiki na kafara kama wajen dashen mun yi shi kusa da kusa maimakon ashe ta son kama kasa kama ɗani guda guda haka sai muka yi ta cakaf cakaf cakaf kusa da kusa to wannan ne muka gani nan gaba muna da neman mu sake irin yadda muka yi na bayan amma don bunƙasa tana yi tunda yanzu ga ta nan duk ta fara kai kuma alhamdulillah tana kai sosai ma to daga ina ne husa'a ta zo eh wannan husa'a da ta zo mu mu dai aikin noma ne aikin mu kuma bayan haka nan muka ga ga ruwa bayan ruwa ga hili kuma wannan hilin da mu bar shi ba komi cikin shi tun da abin da muka shibka yanayin hatsi da dawa ruwan ya sa ya kai wurin ya zamana ya ƙi kama kamar ruwan ya ma abin yawa tun da yanzu nan da wata guda ruwa ne a kwance da ya wuce kenan hatsi bai yi a cikin shi ko dawa to shi ne na kawo idan kawai na cini tun da cinkawa mun gani a tele cikin ruwa ma ake sata ake dasa ta ake dasa ta cikin ruwa muke gani mutane suna soka suna soka to muka gani kenan mu sun da muna da ruwan gwamma mu gwada mu gwada ta shine muka gwada to mu zawo zancen ruwa hmm. wannan ruwan da nake gani a alamu nan da sati biyu zuwa uku yalla in nake wurin tana yawa ruwan nan sankari eh ba wannan bane ruwan ruwa yana nan baya da motar muke janyo shi ruwan ya shigo wannan yanzu da sai muka sanyo shi saboda mu ba wannan falulluwan ruwa wannan wanda muka yi dashen nan Vous venez d'écouter euh, la première partie de notre entretien du jour avec Elhaj Malam Abdou, producteur de Riatanout de la région des Enders. Avant de continuer, nous allons souffler encore en musique. Chers auditeurs, écoutons cette fois-ci ces titres Kalibanda Alfaga de l'orchestre Toubal de Doussou. magaitan na kurana jawin ti ko girikoy galaway me alalite libono do liwakadira kalibanda alfadani hanga periga tinga inkado kamaisalla kalibanda alfadani hanga periga tinga inkado kamaisalla alfas minya mwagate mali kalibanda alfadana manaso alfaz kormatat kwai kwana galiban alfajani sai waya alfaz kormatat sai jale galiban alfajani sai waya Dengan pamu la picha, kalibanda bada, bay bay kodi la la, kalibanda bada, bay bay kodi akitoni marika, kalibanda bada,

a bisalli sisidi a moyda sarai dinga bonta mai masai gulla a matun ka bai ka hannalin wobi no dagadi ka saka mai no dagadi ka saka mai raita da mai charma sun ka bai yin gara wi za dai ngala oui, chers auditeurs, euh, dans le titre Kalibanda Alfaga de l'orchestre Toubal de Dosso, le chanteur principal dernier livre une critique acerbe à l'endroit, à l'encontre d'un marabout dont le comportement dévie des valeurs qu'il devrait incarner. À travers des paroles percutantes, l'artiste dénonce l'hypocrisie de ce personnage qui, malgré son statut, se livre à la calomnie au lieu de prêcher la sagesse et le bon exemple. Ce morceau saino est aussi un appel à la vigilance face aux figures religieuses qui détournent leur influence pour s'aimer le trouble et un plaidoyer aussi pour un retour à l'intégrité et aux valeurs morales au sein de la société.

¡Mamá! chers auditeurs, vous venez d'écouter le titre Kalibanda Alfaga. Poursuivons avec l'entretien accordé par Elhaj Malam Abdou, producteur des riz Atanout. Dans cette deuxième partie, il s'inquiète de la période de libération des champs qui approche à grands pas et des ressources en eau nécessaires pour sa production. Il est toujours au micro de Ashman Aboubakar. Eh, wannan shinkafa ko muna da sabuwa da zan mu dasa ga falaluwa nan manyi ko ko ita sai mun ci amfaninta in dai an tsare mu ruwan saboda ruwan watannin da aka bada na sakin gonakai muna tsammanin insha Allahu wannan ruwan ya kai mu kuma mun yi da shan wata ma ta bunƙasa saboda akwai ruwan yana da yawa abu ɗaya muke gudu kawai makiyaya su zo su ce su kutso su shashi su shanye shi shine muke gudu kawai amma dan ruwa akwai shi yana nan baya yanzu wani kallo manoma na nan jihar suke muku to lalle mu da yanzu abun da muka fara wannan mutanen gari da yawa suna zawa suna ganin suna cewa gaskiya an yi kokari da aka gwada abin nan kuma su ma wasu mutanen kawai akwai gama gari biyu wanda suka ɗauki iri ma na gwada musu yadda na yi na zuba irin da yadda in ya huto zaka shibka shi akwai nan taridal kuma akwai nan wajen ashango wani gari guda alhaji yana nan to wannan su sun ba da kansu sun ce zan su ka yaran su ma in gwaggwada musu yadda ake tunda suna da ruwa kuma a nan gari dai manoma na nan gari gaskiya suna yaba da abin da muka fara tunda sun ga kokarin da suka ga mun fara wannan abin tunda ci gaban kasa ne to ya hulɗa ku take da me ake ta masu harka ma'aikatan gidan gona eh ni hulɗa ta yanzu dai tukun ba mu fara wata hulɗa ba akan harakar nan amma jiya shekaran jiya a wuce mushen gidan gona lawal ya zo zai wuce ya zo da takuku zai wuce ya biyo nan ya gani har shi ma ya bani idan can wajen ya ce na ce mishi da nan albasa zan sa sai ce mini a shinkafon nan in sa ta ta karu ta yi haka ta yi karhi ta cike wannan wurin kenan duk cikin ganiyar da nake ku dai kun ga wuri ya kama ruwa eh. ku tamma haba da ko ƙasa tana yi ko ba ta yi kawai ah, jarabawa ne eh. jarabawa ne ba mu san ba tana yi ko ba ta yi jarabawa ne kawai zamme e eh, wannan haka ne to yanzu wani kira ke gare ku eh mun kiran da gare mu ga gwamnati ko kuma ga hannu masu da masu hannu da shuni ake cewa wannan aiki da muka sa gaba a kama mu yadda wani ma zai gani shi ma ya kwaɗan yin shi tunda inda ruwa komi mai yiwa ne na farko mu samu ko rijiya tunda so muke wannan wurin ya zamana kawai rani da damana muna aikin shi ko rijiya kuma da kayan aiki kiran da muke ma da gwamnati to kuma na ga alamun kamar kuna mai zancen kun shifka alkama alkama eh ga ta nan ita ma ita alkama kun hmm. taba aikin ta ko so daya jaraba ne kawai ko so daya kuma kawai dai kun ce tun da kun yi shinkawa yanzu eh, ku gani kuma ita ma mu gwada mu gani ba jama'a hmm. ana yin tana cikin jihar a nan jamar ba a yi da shinkawa da alkama duk ba a yi sa'ana hatta ta sai wannan ba a yin sha'ana a shi ma duka sabon duka mu dai bana ne gwada ne muke nan kama abin da a nan da margu aka yi ba ma noman rani kawai kamar salati wani shu da wani tumatin da Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Eh oui, chers auditeurs, il est 11h passé de 24 minutes. À présent, c'est l'heure de notre rubrique justice. Tout à fait, c'est nous. Et aujourd'hui, la rubrique nous parle de l'organisation judiciaire du Niger. De 1961 en 2004, l'organisation judiciaire au Niger a connu plusieurs avancées significatives. Quelle est la composition de ces différentes juridictions et quelles sont leurs compétences Élément de réponse avec Ibrahim Barou, spécialiste en droit à Nigimi. Il est au micro de Maina Abdoulaye l'organisation judiciaire du Niger a connu plusieurs évolutions de 1961 à 2004, date à laquelle est intervenue la loi organique numéro 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger. Selon l'article 1 de cette loi, la justice est rendue en matière civile, commerciale, sociale, pénale, financière et administrative par la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux administratifs, le tribunal militaire, les tribunaux de commerce, les tribunaux de foncier rural, les tribunaux du travail et les tribunaux pour mineurs. L'article 4 de la dite loi dispose expressement que la justice est rendue au nom du peuple nigérien. Quelle est la composition de ces différentes juridictions L'analyse de la composition des différentes juridictions sera faite dans l'ordre énoncé à l'article 1er de la loi organique. Ainsi, la Cour de cassation comprend un siège composé du premier président, du vice-président, des présidents de chambre, des conseillers et des auditeurs. Un parquet général composé d'un procureur général, d'un premier avocat général, et de plusieurs avocats généraux, un secrétariat général avec un secrétaire général et plusieurs secrétaires, un greffe avec un greffier en chef et plusieurs greffiers. Le Conseil d'État connaît la même composition qui est dessus. La Cour des comptes connaît aussi la même composition, sauf que s'y ajoute à son siège des vérificateurs. Les cours d'appel, il convient de préciser qu'il en existe deux, dont les sièges respectifs sont fixés en Niamey les tribunaux de grande instance TGI. Il en existe dix qui sont Difa, Zender, Agadez, Tawa, Arlit, Koni, Maradi, Dosso, Tilaberi et celui de Niamey classé en hors classe à raison du volume important des contentieux qu'il traite. À cette exception notable, la composition des TGI se présente comme suit. Siège, président, vice-président, doyen des juges d'instruction, juge d'instruction, juge de l'application des peines, juge des mineurs et juge au tribunal, parquet, procureur de la République et un ou plusieurs substituts, greffe, greffier en chef et greffier. S'agissant du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, il comprend plusieurs vice-présidents, des présidents de chambre, un procureur adjoint, plusieurs premiers substituts, en plus de l'effectif ordinaire que l'on retrouve dans les autres tribunaux. Les tribunaux d'instance se composent comme suit. Président, juge d'instance, greffier en chef et greffier. Il convient de préciser que, s'agissant des plus hautes juridictions, elles sont toutes régies par des lois organiques. Quelle est la compétence de ces différentes juridictions La même démarche sera privilégiée. Ainsi, la Cour de cassation connaît des pouvoirs en cassation dans les conditions définies à l'article 36 de cette loi organique elle est juge de la légalité et non juge des faits. Le Conseil d'État connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives, des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs, des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative, article 18 de la loi organique sur le Conseil d'État. C'était la rubrique hebdomadaire Justice avec Ibrahim Barrow, spécialiste en droit à Ningimi. Chers auditeurs, nous allons encore souffler en musique et cette fois-ci, on vous propose le titre Tobey de l'artiste Dari garin da goksinai ha jortare nokati bortare attention dans la vie y'a ami y'a ennemi y'a très bon ami y'a mauvais ami appelé à vivre avec autrui. il veut dire qu'on il ne pas ils détruise De chaque nation, c'est qu'on a choisi. La courtoisie ou l'hypocrisie. Je vis ma vie, tu fais la jalousie. Oh, Babylonie, c'est pas le cas de moi et mon ami. On s'éclate au riz car ici va la vie. Nous on avait plus compris que l'amitié n'a pas de prix. Seigneur qu'on prie de nous mettre à l'abri de tous ces mépris. mère, je pense que t'as compris. Tu as ta petite amie, embrasse-la ah, ah, ah, si ça te dit. Tu as ton petit chéri, cosse le si ça te dit. N'écris jamais tes amis, à cause de ton chéri. N'écris jamais ta famille, mamie, j'ai dit, à cause de ta famille. Agni se kene to bai, ba ni ga kana ko foi, chorta reino, chorta reino. Ai agani sekeno tobay baniga kana tofay chorta aino chorta aino ah ah manuga kirmama ni wandiya magani fatai sanira Eh Et oui cher auditeur, le titre Tobey de l'artiste rappeur Daré met en lumière l'importance d'avoir un véritable ami dans sa vie quelqu'un sur qui l'on peut toujours compter. À travers euh, des paroles sincères et touchantes, Daré célèbre l'amitié authentique, celle qui résiste aux épreuves et au temps. Et oui, c'est nous, ces morceaux rappellent que la loyauté et le soutien d'un ami sont des trésors inestimables. Avec un flot captivant et des rythmes percutants, Daré réussit à transmettre un message universel sur la valeur des liens humains. ni se kai na ka bai ba ni ga kana ka fai chota haino chota haino Hagan ni se kene to bai ba ni ga kana ka fai chota haino ka bai ba ni ga kana ko foyi to ka haino chers auditeurs, après cette pause musicale, direction Baleara pour parler du chant école. Oui, c'est un nom pour s'adapter au changement climatique. Les femmes du groupement Labusitari dans le village de Winditan, commune de Tagaza, région de Tilaberi, cultivent chaque année un chant appelé chant école. Maria Maïsaka explique les changements que ce chant apporte à ces femmes. Elle est au micro de Seidi Abdou Winditan. il ki ci alfarai kar karango te mana alfarai e kol batamano kan alfarai ga char kubai iminga bere no charse irga margu imate zanga chawyan alhali daino bonga bere no borai ga no charse danga marcine sanga hariyano borai ga dan kasi kadi wo no bisa afo irga te haini dumi irma di haini kware zo kiddo na gadan zabanda da haini son zamani wonai kan ini gwai ini sokon irmi da irma di wo no wasunda fo wo no zumbunda afo kul dinga batama irse a hay kul da afo se ka irman manda fo si da angre no charban da nirgi da ikul si da birgi fumbano gaba da nirga da ikul si irma di wo no ga jin wo no ga zumbun da fo dunguro no mo nga mo hal son ya dinno dunguri irga dan kwarai zo irga dan dunguri zamani wane wani wani afo kul dinga batama dirga birjo dan gaba da nirga dan ikul si ga angre dan gaba da nirga dan ikul si irma di wo fo no ga jin ga hay wo no ga zumbu da birgi mono hal son ga ba irma birje kacar ga ga bay birgi wo fono borin da fo nga mo dumi fallan nirga dan da dungur no dungur ir fallan nirga da irma dan kan parcel wo se birigi funbo irima dan wone se engrais irima dan wone se mélange irima di birigi da engrais wo fonu bisa karn wone te bere fona kan dal farese hay kul kan ni di sor fo e hinka agin nafa fonda bonir na dan bode nga ba bis di go bis di kan dumi zo din dirna dum dirgo dan birigi birigi man cirgan sayno faru kul gurbi ga te tiksado irga so bayga birigi irgan nesino irga so ga birigi fumba dan tiksay do gadan kalima kay girguna igir ha ifo seno irisi say gaba da irgan dan gurbi gurbi irim fahamandi se kan dinna dan gurbodo anan nafa faga bisini man sai batama kun da an gre non ma har son tiksa do niga da man tiniga sai waina ga masara wadin kulu borai ga ha irga ci si gir ha dumi fono woyen dumi fono irga cabi se dumai di hay mo har son dinir ha irga cabi se wo kan wasu ga bisa fo dumai han kan sirgi dum wani wani irmi di wo fono wasu da fo da birjono wo fono na dumi zan na faga bisa fo lalle akan dal fares zama hun kun borai din kul kan na shan ekolai din ta asin da barkan sigen fanin zama ba dumi zo din na duma boro yan gon kan si da gumat kan ni bunga da ya no ni ga fanda iga dagu ga tin di bunga hinka hinza gana ga hay ga makani la sabu kan nan bunga matkan duma ngwaro kan ga danga sirin birjodin asi kulu wasa dole jarai no ga na jarai manasu amma dinna dagu ganan bunga hinza waro din kan ga danga sirin birjodin aga wasasi ndi da bera ga te da hayna ga te jeni hanno da dunkurno aga te iza hanno bore idu berai bobo da matkan cini ga bata mai ne sinda dara ki ga nesin sinda manti dara kuku yanno iga nesi ga sasabandino bata makai na ne sinidu duma aga te albarka bobo Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, il est 11h passé de 36 minutes. Si vous venez de nous prendre en cours, pas d'inquiétude, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web le www.studiokalangu.org. À présent, place au sport avec Adam Sariou, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Adam. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Adam. Alors Adam, nous ouvrons cette page sportive euh, avec euh, un mot sur le MENA national qui joue ce soir son dernier match dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025. Eh bien oui, malgré sa victoire 4 buts à 0 face au Soudan lors de la cinquième journée, le MENA national n'a toujours pas son destin en main avant son match ce soir face au Ghana à 17h, heure de Niamey. Mais alors, Adam, quels sont les scénarios qui permettront au MENA national de se qualifier Eh bien, même en cas de victoire, le Niger n'est pas rassuré de se qualifier car il faut obligatoirement que l'Angola s'impose sur le Soudan pour que le MENA puisse se qualifier pour une troisième participation à la Cannes. Alors, on dira bonne chance au MENA national. Parlons à présent de la Super League de football, Adam. Eh bien, ce week-end, on a joué la deuxième journée du championnat et toujours pas de victoire pour l'équipe de Wombe de Maradi qui a perdu un but à zéro contre le Sahel Sporting Club de Niamey. L'AS Université Abdoumouni de Niamey est aussi tombée face à l'AS euh, Gendarmerie contre, sur le score de 3 buts à 1. L'AS Nigelec a écrasé le Gestawa sur le score de 5 buts à 0. L'AS Douane a battu l'AS Garde Nationale 2 buts à 1 et prend la tête du classement avec 6 points. La deuxième place est occupée par l'AS Nigelec 4 points grâce à son goal virage favorable de 5 buts. Et pour terminer, parlons du sport roi du Niger, la lutte traditionnelle avec la Coupe Pertel, qui a pris fin hier dimanche 17 euh, novembre e, à l'arène Langalanga des Enders. À cette occasion de cette quatrième édition de la Coupe RTL Cocoa, c'est le lutteur Sani Abdou de Maradi qui a remporté la Coupe RTL face à Ousmane Hassan 10 janvier de Tilaberi. Le lutteur de Maradi remporte euh, une enveloppe de 1 million de francs CFA et la Coupe. Chers auditeurs, c'est la fin de cette page sport à demain pour un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces informations sportives. C'est nous. C'est l'heure de découvrir notre étoile du jour. En effet, Fanta, aujourd'hui, euh, nous vous amenons à la rencontre d'Inoussa Dabei Daouda, un jeune Nigérien non-voyant à la carrière inspirante. Malgré son handicap survenu en classe de CM2, il a su décrocher plusieurs diplômes et s'engager pour défendre les droits des personnes handicapées au Niger. Découvrez son parcours et ses aspirations dans ce portrait signé Habibou Garba. C'est au siège de l'Union nationale des aveugles du Niger que nous avons rencontré Inou Dabay Daouda. La trentaine et non-voyant. Daouda n'est pas né malvoyant. C'est en classe de sem 2 que tout a changé pour lui, il raconte tombé malade, mais c'est suite à une blessure à l'œil gauche. Donc c'est ça qui a affecté l'œil droit jusqu'à ce que la vision est perdue. L'handicap n'a pas empêché Daouda de poursuivre son cursus scolaire. Aujourd'hui, il accumule une licence en droit public, un master en communication des entreprises et un autre en cours en gestion des projets. Il évoque ici les difficultés liées à la recherche d'emploi pour quelqu'un qui vit avec un handicap. S'il y a des ouvertures, on dépend. Vous savez, au Niger, il y a un problème. Quand, quand tu es personne handicapée, souvent, dès qu'on voit ton CV, tu es personne handicapée visuelle. Donc, on ne fait même pas appel à toi. Ou bien, euh, souvent, on te discrimine à cause de l'handicap. Mais euh, le récent concours du ministère de la Finance et de l'Économie, donc, je suis présélectionné. Donc, ce recrutement est en stand-by. Donc on attend voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, par manque d'emploi dans son domaine, Deuda a trouvé une solution temporaire dans l'enseignement. Présentement, j'évolue en tant que professeur contracteur itinérant. On est dans le suivi et la transcription des élèves et, étudiants handicapés. Alors donc euh, à chaque fois s'il y a des copies, on fait appel à nous pour qu'on puisse faire la transcription et renvoie ça au niveau de l'école concernée. Tu évolues là où ton destin t'a conduit. Voilà. Mais normalement, euh, je devrais être dehors de, l'enseignement puisque euh, je peux être communicateur évoluer aussi dans des directions de droit. Homme à plusieurs casquettes, Daouda est aussi secrétaire chargé des affaires de l'emploi au Bureau exécutif national de l'Union des aveugles du Niger. Ahmad Ibrahim, son supérieur au niveau de la structure, témoigne de la relation qui les lie. On a vraiment des relations agréables avec euh, Daouda. Et il fait bien son travail. Il euh, accompagne euh, notre structure. Il est bien avec nous, on est bien avec lui. Pour l'avenir, Daouda compte un jour travailler dans son domaine de prédilection et apporter sa contribution pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Voilà, chers auditeurs, euh, vous venez euh, de suivre le portrait de Inoussa Dabei Daouda, un portrait réalisé par Habib Garba, rendu au studio par euh, Rukayatu Abdurrahman. Alors, Fanta, bouclons notre playlist musicale d'aujourd'hui avec ce titre Djamila de l'orchestre Orco 5. C'est parti.

jamila no domoru kare se ganga ye jamila wayo jamila allah jineki aba jamila allah ya barci mutawade wai lalle rishin na da ko uba ciwo lalle rishin na da ko uba ciwo gare ni allah ubangiji ya bayar ya ta kun ga gani yau ina ta darura oyoje mile nodomo kuna haifo ni gati ma haifo amanai haifo na kan shi to masa koi amanai boro wanda ce ci ko sin cimici ba kan ne ga kwai fara ga ne tangari no dubon ni ni ye gida mane far kai se din ni ni bar ga da mane kol nai no din ni ni son ruwa mane dalin sa bai boro kan siyai masai dai ha halin ni bai bora siyai sai dinna higi moni man bori endi dun dinna higi moni ma kuti tabi sambar kirai gaba aman hai borse ni bai mo borsi higi kala ni mai se Aya din si ai kulai sin higi kul sama dai bor gaba imin isu don ya din mo bor gaba imin isi higi dun wala din bor izo mo bor bor higi to hal dai no runo go no. bariya domoru to badin sinda wanda ta dai kuka fara wanda ya ga gingin zure to badin sinda fari mata dai barma kulu fara alfarai ga gingin ballo aran bai doni ko gaba ta taize gadin no doni ko gaba kurize sama dai doni ko ga doni borai se diri doni mi ga hangan dai no guri zamo amma ga tiyawi mulka kwai na biyan tunan de guna ai mana ma ka de ne ai made namu guna ai mana ma ka de ne fatal namu guna ai mana ma ka de ne banda mu bube to zakari ai sigadi man gane ni koi guna ai mana ma ka de ne ali kato guna ai mana ma ka de ne tonar namu hai kulki da ne sai mu koyi ni suru hakan suru tano ga hausa na mai sin da surmo manera amma kwai da burko fara ai da ko ai da ko ai da ko da ko dan da ko ai da ko ai da ko da ko dan da ko ai da ko ai da ko da ko dan da ko da ko ai da ko chers auditeurs, vous venez d'écouter le titre Jamila de l'orchestre Orco 5. Poursuivons avec euh, le loti, n'est-ce pas, nous Oui, Fanta. Eh bien, le Niger, avec son climat sahélien, est particulièrement exposé aux maladies euh, transmises par les moustiques, tels que le paludisme. La prévention est donc essentielle pour réduire l'incidence de cette maladie et protéger les communautés vulnérables. L'utilisation des moustiquaires imprégnés et la prévention conseillée par les agents de santé. Écoutons cette discussion entre Hawa Ousmane et Rekia Arimi. Affairage, affairage, Salut Mariam, tu as vu les moustiques qu'il y a cette année Wallahi ma chérie, les moustiques, on n'en parle même pas. Dans le temps, c'est la nuit qu'ils nous embêtent. Mais cette saison, les moustiques nous piquent même le jour. Moi, présentement, je fais coucher mes enfants et moi-même sous la moustiquaire imprégnée de jours comme de nuit. Oui, c'est terrible, mais je ne veux pas utiliser cette moustiquaire imprégnée. Ça me dérange pendant la nuit, j'ai l'impression d'être étouffée. Hey, eh, ma chérie, je comprends, mais tu sais que c'est vraiment efficace pour éviter le, paludisme. J'ai commencé à utiliser et je me sens beaucoup plus en sécurité. Je sais, mais j'ai l'impression que c'est inconfortable. Et puis, je ne veux pas me sentir enfermée. Hé, eh, écoute, ça peut prendre un peu de temps pour s'y habituer, je suis d'accord. Mais pense à ta santé et celle de tes enfants. J'ai entendu parler de beaucoup de gens malades ces derniers temps. C'est vrai, mon voisin a attrapé le paludisme, mais j'ai toujours utilisé des répulsifs. Ça ne suffit pas Certes, les répulsifs peuvent aider, mais ils ne sont pas toujours efficaces toute la nuit. La moustiquaire est une barrière permanente. Peut-être que je devrais essayer. Tu as des conseils pour la mettre en place Bien sûr, il suffit de l'étaler à l'ombre pendant une journée et la suspendre correctement pour qu'elle soit bien étendue. Je peux t'aider si tu veux. Merci Amina. Je vais réfléchir à ça. Je ne veux pas mettre ma santé et celle de ma famille en danger. Toi, quoi que fa, je suis là pour t'aider ma chérie. Protégeons-nous ensemble pendant cette saison des pluies. C'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Le mot de la semaine est protégé. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est l'heure de la culture linguistique en français et en anglais avec Samira Oumarou. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show culture linguistique. En ce mois de novembre, nous notons le début de l'Armatin. Cette saison se caractérise par un vent sec en journée et plus froid de la nuit chargé de particules poussiéreuses. C'est une période que nous devrions maîtriser en se protégeant, car les maladies telles que les rhumes, les toux sont fréquents et pouvant augmenter le risque d'asthme, bronchite ou pneumonie. Vous l'avez certainement deviné. Nous allons voir ensemble les contours du verbe protéger. Protéger se définit comme l'action d'aider de manière à mettre à l'abri. Protéger en anglais veut dire protect. Protect is the action of keeping safe. Let's take some examples. You have to protect your business against fraud. That means vous devez protéger votre entreprise contre la fraude. De nouvelles lois ont été adoptées pour protéger votre vie privée, ce qui signifie en anglais New laws have been passed to protect your privacy. I protect myself against dust. That means je me protège contre la poussière. Il est important de se protéger car il nous réfère à l'action de s'aimer soi-même et de connaître sa valeur en tant qu'être humain. It's important to protect yourself because it refers us to the action of loving yourself and knowing your values as a human being. Ladies and gentlemen, that's all for today. Let's protect yourselves and who you love. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Protégez-vous et ceux que vous aimez. Merci. Merci également Samira pour euh, cet éclaircissement. Chers auditeurs, si euh, vous aussi vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, que ce soit en anglais, en haussin, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou écrit au 82 89 89 64. Et oui, c'est le moment pour nous d'écouter euh, d'écouter nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana abdulljalil shebu bawa nan garin dogon dutse ne gaskiya studio kalangu babu abin da zamu ca sai dai mu ce dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku mun jinjina mu aikin ku kuma muna jin daɗin labarun da kuke bamu gama abin da ke burge cikin studio kalangu mutane gare su wa'anda za su baka labari su fayyace maka duka abin da ake nufi da labarin nan a yi maka shi da yaren turanci a yi shi da hausa a yi shi da zabarmanci duk yaren da kake yi sai ka gane ai ma yi dai kan go kur kwaze no wallahi labawa ga bora me ame fos wallahi si jirbo bugon kan kani se zami go kani se bari yo kan go gibon feri o bo gunda kuna da tre har al bahare do hare wallahi go le go wari kom konda jina i kom bon fere tonto ka tonto i bora me ame labawa wa kusse iri ma ci ide ka ci ide iri wa lokaci wani so wa hanka iga ba da iri wo kurkoye harakano kalangu dai o kalango ima guna irse kalango ma guna irse matakanno haraka agate kate da o ima ka irse sigir kanga nan wodi da kulkoy ma macer kani wodi har irse ba irse bai ima macer dori ba na zama ikulu afolla to lalle boden ka iga bai ima fogo na zama iri iya yo ne wo departement do so wo ne wo dei bore kango furgineri ndei igani fo igani baniya iman don donde zama ay kulkante ne wo iga hinka hansi irse di konda iri heno ido ay muhammad abdullahi ka cayma gomboro ay wallahi wo tebur koy de no ay ga far mono ay wo ga fatawci ay ga far are yo ay kalangu si jire wallahi aga kanu zama labare kay isdu arajo berera ngano igudu kalangura mi wo kalango dai no ga hangan kadu labari ka bo zam wonen labari an fon labari kan kalangu ki wala wonen saki a iwo kai mandita al kul kalangu labaro no yon do a to yiga bora kul fo de kango kalangu bo zam ya jama ko yan ni sin kine filan ne filan kuli sin ko bore fo ga salama kul fo kango no ga da radio kalangu si ay ma ke abdullahi gomboro alfa abdu gomboro radio kalangu wat kuli ga mara mai yi shirgo du kasallamira amma sun wa karan kakin ha wallahi ma hayan wa kani gumgumo i goga ma dai no gindai i shiga duka salam ya dinga hunkun kan kakin ha wa i ma kani i goga sabu mo zama lakkal kana tabbatu zama da man kila kana ka tabbatu bo su ko windi alhamdulillah i goga sabu mo la jo karangu bore i goga sabu sai kin da zadi zama kine kul gano i ga te i goga mara igo ga wadin kane gum gum gum gum igo ga sabaran sai kin da zari ne wo koy gur habu no irgo ne wo koy gur habora irgan da bolyan kai irga bayin mu foyan lama borsi jan habora ban kan ga fo ir kwar boyre no ga fo lama ari wo gombor bonno ai ga fo gombor mai garo samira ai goga samira bun bofo kan kin ha ha yangai igo ga rajo karangu e jina fo kan da fonda no ima ka kauye ra ka borai ha masalai kai go di. wallahi alhamdulillah yidu lakkal kanai alhamdulillah tali kursino yi gobani samai samai no yi go sabu ai ma kiti garba adamu kuru sakau kasi ne wasila baba koi gurno igo koi gur habu atinin habu habu gongo atinin nika ki ganne dos skomino ha i sabu de kango kan nika kete ki ha radio kalangu albahara yi go igo da wallahi igo gomara go kanise awaran mo kan ti radio kalangu Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Ali Munkela Ouseni alias Eno 50% et moi-même Fanta Chamsou. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. Et oui, Fanta à la technique, c'était Amina Hassan et Adama Dawaki qui a assuré l'édition. Excellente journée à vous, chers auditeurs, et n'oubliez pas de rester connectés à partir de 17h pour suivre nos journaux en 5 langues, suivi du forum. Au revoir.